Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net. Merci de rester en notre compagnie les 12 heures à la grande mosquée de Medina Bay et ici à l'immeuble cher Imam Hassan Sissé de nous émettons. 12 heures également à Léona Nyassène, Léona Bouchra Sikhaï Bambara, Touba et Yakao Sarafal de la référence, vous l'aurez deviné à juste titre. C'est le du journal dont voici les titres. Appui aux parents d'élèves et soutien au secteur de l'artisanat, le programme visant la généralisation des tenues scolaires pose ses premiers jalons à Kaulaka avec l'adhésion et l'engagement des acteurs. Les détails à suivre dès le début de ce JP. Politique élection territoriale du 23 janvier prochain à Kaulaka. La LD joue la carte de la mobilisation et réaffirme son ancrage dans la coalition Benno Boko Yakar, son coordonnateur départemental. Mapateba que vous entendrez donc au courant de ce JP. Justice, audience des flagrants délits du TGI de Kaulak, la juridiction s'est penchée hier sur l'affaire portant sur la disparition de plusieurs millions dans le coffre-fort de la station Ola Oil. Le verdict sera connu le 10 novembre prochain. Le gérant à qui il est euh, reproché des faits présumés d'abus de confiance en liberté provisoire a comparu donc par devant le tribunal hier. Voilà pour le sommaire de ce midi à la technique Moussakan. Dans la deuxième partie, vous suivrez la page internationale, celle sportive, mais aussi celle qui sera consacrée au quotidien sénégalais paru ce matin. Restez avec nous. Tout de suite, le développement. Le journal je vous le disais il y a tantôt, généralisation des tenues scolaires pour un appui aux parents d'élèves et soutenir le secteur de l'artisanat. Hier, mercredi, à Kaolak, une rencontre s'est tenue avec le gouverneur de région, acteur, entre autres personnes concernées. Les détails, c'est dans ces propos du chef de cabinet du ministre de l'Artisanat d'Aoudouad Sek. L'objet de notre présence euh, s'inscrit dans le processus qui a été mis en place pour donner corps à cette vision de Monsieur le Président de la République qui, face à la situation de la pandémie de Covid-19, a mis sur place un dispositif qui a été salué par le monde entier dans le cadre de la résilience. Et c'est dans ce cadre-là aussi, en rapport aussi avec le programme Khoyundaoui, le Président de la République a eu la clairvoyance de décider que cette année, les tenues scolaires soient généralisées au niveau du préscolaire et de l'élémentaire pour le secteur public en phase pilote, tout en sachant que cela pourrait évoluer vers d'autres cycles. Mais puisque c'est dans une phase test, il est prévu de la confection de tenues pour le président scolaire et l'élémentaire à raison de deux tenues par élève, ce qui avoisine un total à peu près de 4 millions 20 000 tenues. Alors, je pense que cette mesure-là est salutaire parce que ça participe de la correction des iniquités sociales et aussi ça répond à des besoins psychopédagogiques parce que les enfants, je pense qu'ils seront dégalpillés et ne développeront pas de complexe parce qu'on ne pourra pas faire la différence entre les enfants de nantis et ceux qui sont diminués. Je pense que ça, ça joue sur le plan psychologique de l'élève pour lui permettre de travailler. dans une autre mesure aussi, je pense que c'est une mesure qui permet de donner de la matière à la population artisanale qui a été profondément secouée par cette pandémie. Et je pense que dans ce cadre, c'est une très belle solution pour pouvoir leur permettre quand même de pouvoir avoir de l'activité et développer leurs entreprises artisanales. Le quota de Kaolak, je ne pourrais le dire exactement, mais ce qui est clair, c'est que toutes les statistiques sont disponibles pour toutes les régions, en sachant que peut-être ça peut évoluer un peu avec euh, la deuxième phase du recrutement du CI. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, comme nous avons fait avec toutes les autres régions, toute la documentation euh, requise donc est disponible au niveau des comités régionaux, parce qu'au niveau de ces comités régionaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la territorialisation, l'enrôlement se fera avant qu'on nous puisse octroyer les marchés. Les marchés d'Aoudawad que chef de cabinet du ministre de l'Artisanat, lors d'une rencontre tenue à la gouvernance hier mercredi et regroupant les acteurs des régions de Kaoulak, Fatik et Kafrine. À ce propos, écoutons la réaction du président des tailleurs de Kaulak, Cheikh Il est ici au micro de cher Babakar nous prenons avec euh, beaucoup de satisfaction. D'abord, nous remercions le président de la République, M. Macky Sall, d'avoir, si nous les artisans, nous pouvons faire tout pour satisfaire nos élèves et nos écolières, raison pour laquelle il a su nous donner ces tenues préscolaires pour qu'on puisse les confectionner. Nous lui devons beaucoup et nous ferons tout pour pouvoir lui donner une grande satisfaction. Parce que c'est une première phase de test. Il nous a dit que c'est pour une durée déterminée de trois ans pour le test et nous devons faire tout pour que cela continue jusqu'aux uniformes totales. Donc, nous devons faire tout pour confectionner de bonnes tenues pour les élèves pour qu'on puisse mettre la main sur la tenue entière que les boubous et les pantalons. C'est pas difficile à fabriquer. Les essentiels qu'on nous a montrés, on peut les faire. On peut respecter la durée de la commande qui est de 3 semaines, 21 jours. Et nous ferons tout pour donner satisfaction. Et on sait que le nombre de tenues qu'on va nous donner, les artisans et les terres de kaula on peut les confectionner en 21 jours parce que ce ne sont pas des tenues difficiles. Alfayda FM Alfaïda FM en direct du euh, studio Momar, euh, Alelo. Et nous voilà maintenant au TGI de Kaulaka où la juridiction s'est penchée hier euh, mercredi sur l'affaire concernant la disparition de plusieurs millions par deux fois dans le coffre-fort de la station Ola Oil. Le gérant mis en cause sera fixé donc sur son sort le 10 novembre prochain. Et puis lors de cette audience toujours du TGI de Kaulaka le tribunal a examiné 11 dossiers impliquant 12 personnes pour divers euh, délits. Nous y euh, reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Mais en attendant, parlons de la conférence de presse du comité de pilotage de l'AIC Saloum qui accuse euh, à son tour Suleiman Ndenendiaï de vol. Chirti Diagne y était pour nous. suivant le Face à la presse avant-hier, le comité de pilotage de l'Aïe Saloum a fustigé l'attitude du président sortant du club des Saloum Saloum, Souleymane Denengay. Sidi Traoré, l'un des dirigeants de l'Aïe Saloum, porte leur parole. J'ai laissé à Suleiman une délibération de la mairie de 25 millions par année. Chaque année, 25 millions. Mais ce bonhomme, qui n'a pas de bureau, qui a été incapable de mettre en place un bureau, n'a pas réussi à préserver les intérêts du Saloum autour de cette délibération. Pas délibération, conseil municipal Mouridef, maire Samoun Godini, mais il n'a pas réussi à maintenir les 25 millions. na conseil d'État une autre délibération de 5 hectares de terrain Nous avons vision un centre pour la Salom. Nous avons regrouper activités entraînement là aussi c'est une délibération il a été incapable de pérenniser cette délibération. l'affaire des 34 à 35 millions de Papy Gilabodi, l'ex-président de l'AS Salom, pointe du doigt sur les Ndiaye. un tribunal populaire dans ces 35 millions dans sa mandat pratiquement deux ans tourne mon frère est tout Saloum xaalis bi ñëw na Souleymane nee na ko fuuf man dama ko bon ça. su ko neexee mu wax loolu waaye moom da ko sàcc loolu la ko mën a tontu Ben ba mu salon, compte boobu la dugg compte la compte avec deux signatures nit ku mot moomu c'est très dur na ce que je dis mais en fait il le mérite. Prenant la parole le président du comité de pilotage par ailleurs président de la ligue de football de Kaolack Thierno Kosse Diané appelle à l'unité. ñëpp mer ne da nga def loo xam ne sax ko def mais il faut ñu rëcc bi da nga ci. je dis à Aaron, allez voir les gens parce que président nous dellu équipe bi parce que loolu mooy li war voilà donc vraiment bu ken xarab ken ken kenn beddi kenn bu ken boddi kenn équipe bi ñëpp a ko mom ñëpp a ko moom nag Saloum ñi ci bokk moy ñi jënd carte né nangul lay bokk Saloum ñooñoo mom Saloum dans ses propos les dirigeants de l'AS Saloum sont en train d'organiser pour monter en Ligue 2 et puis, euh, polémique euh, suite à l'élection du nouveau président de l'AIC Saloum. Dans ce midi, écoutons les précisions de Momodou Lamine Sorna, le rapporteur euh, général du comité de pilotage de l'AIC Saloum au micro de Chertidiane Diagne. Il y avait deux candidats, le candidat Ali Mané et le candidat Fallou Québec. Maintenant, après les consultations du président de la Ligue, du président du comité de pilotage, le résultat a donné comme candidat déclaré que peut-être le comité allait proposer à l'Assemblée générale non, c'est malheureux, il faut le reconnaître aussi. Entre le 30 et le 1er, véritablement, peut-être une des entités qui composait le comité n'a pas fidèlement rendu compte à ses mandataires. Finalement, les gens ont interprété une situation qui n'était pas comme ils l'ont annoncé. Parce que les gens ont fait comprendre que nous avions exclu un candidat, que nous avions choisi un candidat au détriment d'un autre candidat. Alors que le processus, dès le démarrage, avait été très clair. On allait vers une assemblée générale consensuelle, donc le comité allait amener une proposition de candidature. Et ce que nous avons fait. Maintenant, à l'Assemblée générale, nous avons effectivement mis en place un fichier qui permettait à tous ceux qui ont acheté les cartes de membres de pouvoir pénétrer dans la salle où devait se tenir l'Assemblée générale. Ceux qui avaient acheté les cartes, effectivement, sont entrés dans la salle et nous avons fait la proposition que l'Assemblée générale a adoptée par acclamation. Alors, où est-ce qu'on doit aller présentement En principe, le mandat du comité, c'était le jour de l'Assemblée générale, dès l'instant qu'on avait mis en place les instants. Mais malheureusement, le processus ne s'est pas terminé parce qu'on a élu seulement un président président de club et un président de section. Maintenant, ces deux derniers nous ont demandé d'encore de les accompagner pour qu'on puisse mettre en place euh, les instances du club et les instances de la section. que d'ici quelques jours, les assemblées générales de section vont se tenir. Le bureau sera mis en place. Les comités de supporters ont déjà fixé leur assemblée générale pour le 30 octobre. Maintenant, véritablement, quand on aura fini tout ça, vraiment, le comité sera dissous et les instances fonctionnelles du Saloum vont continuer à travailler pour que l'AS Saloum continue à fonctionner et accepte en première division. L'actualité sur Alfaïda FM. FM politique nouvellement élu maire de la commune de Bokonto Ibrahim Diawo par ailleurs euh, responsable APR de la mouvance DOSA organisé mardi. Un meeting de remerciement tout en réitérant sa candidature pour les prochaines élections locales. Aujourd'hui, j'ai organisé une réunion politique en perspective des élections locales parce que je viens d'être nouvellement élu le 25. Alors, en tant que membre de la coalition Benno Akar, j'ai invité tous les responsables politiques, tous les conseillers, les chefs de village, toutes les tendances et mouvements qui sont dans le cadre de la mouvance présidentielle. Euh, c'est tout ce beau monde-là qui s'est réuni aujourd'hui. C'était pour euh, un tout petit peu remercier les conseillers et la population de la commune de mon élection au niveau de la mairie de Bonconto en remplacement du défunt maire dont je salue la mémoire au passage. Donc on était là, c'était sans, mais aussi c'est dans le cadre de nos activités politiques euh, quotidiennes parce qu'il faut toujours faire des animations et cette animation s'inscrit directement en direction des locales parce que vous ne l'ignorez pas, j'avais fait ma déclaration de candidature 12 juin. C'était à Sarebo-Sédié lors d'un grand meeting, mais aussi encore une fois aujourd'hui, j'ai réitéré ma candidature à la candidature au poste de maire de la commune de Bonconto dans le cadre de la coalition Benno Bokriaka. Maintenant, au passage, je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont mobilisées, les notabilités, les différentes délégations qui sont venues de partout et je pense que ce qui va se faire parce que vous êtes témoin véritablement de cette mobilisation qui a été une représentation de qualité. Cela, c'est l'ensemble des villages qui se sont mobilisés. Il y a eu les présidents de groupement, des bâtiments des conseils municipaux, des conseils municipaux et des chefs de village. Donc c'était une représentation de qualité. vous avez vu que la salle, était pleine à craquer. En tout cas, il y a toutes les obédiences politiques qui sont en train de travailler au niveau de la coalition Benno Bokoyaka. Benno Boko yakar euh, élection territoriale du 23 janvier prochain à Vélingara la commune a enregistré le week-end dernier son huitième candidat à la mairie et il s'agit du premier président du conseil départemental Bétiba justement de notre correspondant vous. Dans moins de 4 mois auront lieu les élections territoriales. Les citoyens de notre chère commune ont rendez-vous avec l'histoire. Ils auront la liberté de choisir celui qui présidera à leur destinée. En effet, c'est le rendez-vous d'un homme avec sa population. Ce n'est pas un concours de popularité. Il s'agit de soumettre au jugement de ses concitoyens qui, au soir du 23 janvier 2022, vont élire les dirigeants de leur cité. Vous conviendrez avec moi que cette responsabilité est immense, surtout dans une commune où tout priorité, À ce titre, notre responsabilité est grande, car il ne suffit pas seulement d'exercer un droit de vote. Il s'agit de placer une somme de destin entre les mains d'un homme pendant cinq bonnes années. Chers Belgarois, chers belgarois, depuis 2002, l'actuelle équipe municipale, enfermée dans sa certitude, a touché à tout sans rien régler qu'ils soient institutionnels, économiques, sociaux, culturels, environnementaux et juvéniles. Ainsi, la collectivité territoriale qui devrait impulser et organiser le développement à l'échelle locale est devenue l'incarnation de notre désillusion. Avec toutes les ressources qu'elle dispose, Belengara fait partie des communes les moins avancées parce que l'équipe actuelle n'a pas de vision stratégique, sociale et économique de son territoire, conformément aux exigences de l'acte 3 de la décentralisation. Sa gestion gabétique, opaque et clientéliste a fini de diviser le tissu social et culturel de notre commune, qui pourtant était profondément ancré dans nos valeurs. Chers Belengarois, chères il est venu le moment d'opérer le champ je dis, on ne peut pas innover, créer, soigner, éduquer et soumettre ces nécessités vitales aux seules politiques nationales. Hormis les projets et programmes de l'État dans la commune, nous retrouvons les mêmes cailloux au même endroit et de Velingara, nous voilà de retour à Kaulaka avec la mobilisation de la LD en vue de ses prochaines élections territoriales. Lors d'une assemblée générale, Mapateba et ses camarades de parti ont réaffirmé leur ancrage, je cite, dans la coalition Benno tout en appelant à la cohésion. Écoutons-le. On a mobilisé nos militants et nos sympathisants dans une assemblée générale de démonstration de force et eh bien pour réaffirmer notre ancrage dans Benno Bokyaka mais également faire comprendre aux différents membres de la coalition que si nous voulons véritablement sortir victorieux des prochaines élections municipales et départementales, il nous faudra renforcer notre unité et notre cohésion. Sans cela, on risque d'avoir de sérieux problèmes pour ce qui concerne les perspectives d'avenir. On a lancé un appel euh, à tous les responsables de Benoît, surtout à ceux qui aspirent à être candidats, à taire les querelles. Chacun est libre d'avoir des ambitions, mais quand même taisons nos querelles et cessons de nous attaquer les uns contre les autres ou bien de nous lancer des flèches. Cela ne sert à rien du tout. Donc, essayons de nous retrouver pour trouver un candidat consensuel. Et maintenant, à défaut d'un candidat consensuel, le président de la coalition sera obligé de faire le meilleur choix. Et le meilleur choix, en tout cas, nous, la LD, on se rangera derrière le choix du président de la République. D'ici là, nous allons continuer le travail parce que, comme je l'ai dit tantôt, les élections se gagnent en amont. Et lors des inscriptions, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes, des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, ce que les gens appellent les primo-votants. Et nous avons très tôt mobilisé ces jeunes-là pour les faire inscrire sur les listes. Donc ceux qui pensaient que les primo votants seraient favorables uniquement à l'opposition, eux, ils se trompent. Parce qu'aujourd'hui, on a fait la démonstration que les primo-votants eh bien, sont dans nos rangs, ils sont dans les rangs des autres partis de la coalition. C'est dire donc que la coalition a inscrit beaucoup de primo-votants et que les gens risquent d'être surpris aux prochaines élections parce que s'ils pensent avoir avec les jeunes, ils se trompent. Il se trompe, Mapateba, le coordonnateur euh, départemental de la LD à Kaulaka. Longtemps silencieux, le président du mouvement Madan Abdoulaye Moutahanyas signe son retour en perspective des prochaines élections locales à Kaulaka à ce propos. Suivant les explications d'El Hajidien, le chargé de communication du mouvement Madan. Il est ici avec Chertidiane Sar. Le mandat la formation politique d'Abdoulaye Moutakha se prépare pour les locales du 23 janvier 2022. Et au moment où je vous parle, une forte coalition est en train de se former autour du président Abdoulaye Moutakha Sa venue dans la scène politique kaolakois est attendu par l'ensemble des militants et militantes de Kaulak. Il est le seul responsable politique à faire des financements sans intérêt. Il aura été le seul responsable politique à faire une tournée nationale. est le seul responsable politique, à ma connaissance, ce qu'a fait Abdoulaye et Fou Mamour Niass, la troisième personnalité a mobilisé l'ensemble de ses militants dans la commune et dans le département. Aucun responsable politique ne l'a fait à La tournée nationale que nous avons fait pour présenter le bilan du chef de l'État, cette tournée dans les quartiers communément appelés yendo, a permis aujourd'hui à l'équipe municipale qui a accédé au budget communal de pouvoir gagner les locales en 2014. Au moment où je vous parle, j'ai les résultats avec moi, les chiffres qui nous ont permis que la coalition Bernard Yakar accède au budget communal. Et il va participer aux élections ou pas Il va bien participer aux élections locales. Sans Abdoulaye Moutakha la coalition Benno ne peut pas gagner des élections à Kaolack. Ah bon Oui. Et au moment où je vous parle, une forte coalition est en train de se former derrière lui pour que la coalition puisse gagner les élections locales. Et pour accéder au building communal, il faut la participation d'Abdoulaye Moutakha Et le président de la République le fait. Il a tendu la main. Abdoulaye Moutakha n'est pas mort politiquement. Il n'a jamais été mort politiquement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des actes politiques. Un leader politique doit savoir doser des actes politiques. Cette absence lui a permis aujourd'hui que un peu partout dans la commune et dans le département, le seul leader attendu sur le terrain politique, quoi, est le président Abdoulaye Moutakadias. Alphaïda FM 90.13 www.radioalfayda.net et nous émettons depuis l'immeuble cher Imam Hassan c'est dans la cité religieuse de Médine Baye. Dégradation de l'écosystème par la brèche, lancement d'une nouvelle campagne de reboisement à Saint-Louis du Sénégal. Pour euh, en savoir un peu plus, écoutons Papa Senghor euh, Dondé au micro de notre correspondant Baradjoup. Cette activité rentre dans le cadre du projet de renforcement de la résilience euh, des communautés, notamment pour la protection et la sauvegarde des écosystèmes terrestres. Et aujourd'hui, le projet est financé par la Fondation Alstom et la Fondation Maison du Monde. Il y a deux d'autres composantes du projet, notamment sur euh, le renforcement de la résilience économique euh, des femmes. Donc on prévoit des activités de renforcement économique des femmes à travers la production et la promotion des énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous sommes là pour procéder à cette activité de reboisement qui est d'une grande importance aux yeux du partenariat, donc qui a depuis longtemps procédé à ce genre d'activité, mais aussi aux yeux de la Fondation Alstom. Alfayda FM. célébration du Gamou à Midi Bay, la commission communication du COMAFA à pied d'œuvre pour euh, une bonne médiatisation de l'événement, mais aussi avec beaucoup de facilité pour les journalistes et autres représentants des médias. Membres de cette euh, commission, écoutons Aliou Sek avec Cher Tidiane Sar. Depuis quelques mois, on avait commencé à faire des réunions et via la commission communication qui regroupe des professionnels de l'information et de la communication qui sont des talibés. Et il y a des propositions qui ont été faites. Aussi, on a élaboré un plan de travail et aussi sur le plan organisationnel, on a préparé un site d'hébergement et une salle de presse et dotée de machines et connectée au Wi-Fi. Et aussi, au niveau de la mosquée, cette année-ci, aussi, la mosquée est connectée au Wi-Fi pour faciliter le travail des journalistes qui s'activent au niveau de la mosquée. Et aussi, il y a des thèmes qui ont été élaborés sur le plan religieux, sur le plan scientifique pour orienter et faciliter le travail des journalistes. Tout cela, c'est pour promouvoir l'aspect international du gamme de Mindabaye et pour le mettre à la dimension de notre guide mon à Islam, Allah Ibrahim et qui définissait le monde comme un village planétaire, comme un petit village. Et alors que Medina est un site international, il y a beaucoup de talibés qui doivent suivre le gamme via les moyens de communication. C'est pour cela qu'on a mis beaucoup de stratégies pour faciliter ces talibés-là, ces sopés, mais aussi pour faciliter ceux qui travaillent dans ce domaine. Déjà, un lien a été mis à la disposition des journalistes pour leur inscrire. Oui, aussi, on a, depuis des années, on a commencé à mettre un lien à la disposition des journalistes pour la demande d'accréditation. Uniquement pour les faciliter la tâche, on n'attend pas jusqu'à être à Mirna pour demander euh, où on va aller trouver les badges ou pas, mais aussi en fonction des demandes-là, c'est cette fonction-là qu'on va imprimer les badges pour faciliter l'accès aux journalistes dans les lieux de travail. De travail à que membre de la commission communication du COMAF. Célébration de la naissance du prophète le Gamou avec son caractère international à Midinabaye, mais aussi avec les enseignements de Maulana Cheikh al-Islam, la vie et l'œuvre du prophète avec Cheikh Tidjana Sarr. Gamou international de Medina Bay marquant la célébration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, Mohammed, le sceau des prophètes intercesseurs entre Dieu et les hommes, miséricorde pour l'humanité tout entière, le saint, le droit, le sage, le juge, le guérisseur, le généreux, fils d'Abdoulaye et de Amina, très tôt orphelin de son père avant de perdre plus tard sa mère mère, ensuite son oncle Abu Talib. La célébration de sa naissance, surtout à Medina est une occasion de passer au peigne fin sa vie et son œuvre, surtout ses qualités humaines, justement par rapport à ses qualités. Mohammed, paix et salut sur lui, est le seul fondateur de la religion dont on connaît la vie dans ses moindres détails. Ses actes et ses paroles sont des faits historiques. Il est mari, père, ami et négociant, le dirigeant, le législateur, l'homme d'État et le général en tant que messager de Dieu ce qui lui vaut le titre Le Sceau des Prophètes, un saut avec nos digne amis, un talibé, Cheikh al-Islam El hadji Ibrahim qui a montré dans ses écrits qu'il est un serviteur du prophète, paix et salut sur lui, mais il a toujours dit dans ses écrits, je cite, Je suis celui qui détient le secret du noble prophète et personne ne vient à moi sans pour autant connaître Allah, l'unique créateur. Fin de citation. Actualité internationale international airport à 12 h bientôt passé de 24 minutes temps universel la signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le président américain Joe Biden reçoit aujourd'hui à Washington son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, premier chef d'État africain à être invité à la Maison-Blanche par M. Biden. Selon la présidence américaine, les deux dirigeants aborderont, entre autres sujets, la solide relation bilatérale entre leurs deux pays, ainsi que le besoin de transparence et de responsabilité dans les systèmes financiers nationaux et internationaux. Cet ordre du jour est rendu public peu après les révélations des Pandora Papers, cette vaste enquête du consortium international des journalistes d'investigation qui affirme notamment que M. Kenyatta, qui soutient vouloir combattre la corruption, possède secrètement avec six membres de sa famille un réseau de 11 compagnies offshore dont l'une possède des actifs évalués à 30 millions de dollars. En Côte d'Ivoire, un militaire et un agent des eaux et forêts ont perdu la vie hier dans une attaque perpétrée par des hommes à moto contre un poste de sécurité près de Guéhiébli, dans l'ouest du pays. C'est ce qu'on a appris auprès de sources locales et sécuritaires selon lesquels un ratissage de la zone était en cours. L'identité et les motivations des assaillants n'étaient pas pour l'heure connues. Actualité internationale. En Algérie, les services de sécurité algériens ont affirmé hier avoir déjoué des attaques armées qu'un mouvement séparatiste kabyle planifiait à l'aide de complices basés dans l'entité sioniste, c'est-à-dire Israël, et dans un pays d'Afrique du Nord qui n'a pas été nommé. Pour rappel, l'Algérie a rompu en août ses relations avec le Maroc voisin qu'elle accuse de soutenir le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie classée terroriste par Alger. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, la vaccination pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola a débuté ce mercredi à Béni dans l'est du pays, cinq jours après la découverte d'un cas, a indiqué l'OMS dans un communiqué. Les personnes à risque, parmi lesquelles les contacts du cas confirmés et les premiers intervenants seront vaccinés dans le cadre d'une action entreprise par les autorités sanitaires pour endiguer la propagation du virus, a ajouté l'agence onusienne. internationale. L'actualité sportive. De la baie euh, vitrée en studio, la page sportive de ce midi, une signature de Moussakan. Bonjour et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du basket local. Le couple royal de la saison 2021 est connu. Il s'agit de Tcherno Ibrahimagnan et Kounandao. Les deux lauréats sont sortis vainqueurs à l'issue du dépouillement des votes effectués. Tchernonia a obtenu 23 voix sur 35 et devant ce pape Moussafa et Mamadou Faye. Kunandao conserve son titre après la consécration de 2019. Elle a obtenu 15 voix sur 35. Natation, championnat d'Afrique, 15 nageurs sénégalais sont actuellement à Accra au Ghana pour représenter le Sénégal à la 14e édition des championnats d'Afrique junior senior du 11 au 17 octobre. Après deux journées, les Lions des Bassins n'ont obtenu qu'une médaille de bronze au relais mixte mondial 2022 après quatre journées. Voici le classement des groupes avant les deux dernières journées prévues au mois de mars. Dans le groupe A, Algérie est leader avec 10 points plus 17, suivi du Burkina Faso 10 points plus 8. Groupe B, Tunisie est leader 10 points plus 8, suivi de la Guinée équatoriale 7 points. Groupe C, Nigeria est leader avec 9 points plus 4, suivi du Cap Vert 7 points plus 1. Groupe D, Côte d'Ivoire est leader 10 points plus 5, suivi du Cameroun 9 points plus 4 groupe E, Mali est leader avec 10 points plus 7, suivi de l'Ouganda, 8 points plus 2. Groupe F, Égypte est leader avec 10 points plus 5, suivi de la Libye, 6 points moins 2. Groupe C, Afrique du Sud est leader avec 10 points plus 4, suivi du Ghana, 9 points plus 3. Groupe H, Sénégal est leader avec 12 points plus 9, suivi du Togo, 4 points moins 2. Groupe I, Maroc est leader 12 points plus 13, suivi de la Guinée-Bissau, 4 points moins 6. Groupe J, Tanzanie est leader avec 7 points plus 1, suivi du Bénin 7 points plus 1. Beach Soccer Star, événement récompensant les meilleurs acteurs de l'année de la discipline en question aura lieu très prochainement au mois de novembre. Nino Jata a été nominé pour le prix du plus beau but de l'année, une cérémonie organisée par Beach Soccer Worldwide. Zone Europe, après l'Allemagne, le Danemark s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar en poursuivant son parcours sans faute. Les demi-finalistes de ont ainsi remporté leur huitième succès en autant de rencontres sans le moindre but encaissé. Voilà, Fatou, ce qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. À extra du sud des programmes sur la 90.1. La revue de presse. de presse. L'Obs Place, Le Soleil, le Quotidien, Welf, Le Matin. La revue de la presse euh, sénégalaise apparue ce matin depuis l'immeuble cher Imam Hassan Sissé dans la cité religieuse. Medina Bay. À présent, donc, avec euh, Cheikh Tidiane Sarr. Bonjour. Exposition universelle Macky Sall en VRP de la destination économique sénégalaise, selon le quotidien Enquête qui indique le chef de l'État a procédé hier au lancement officiel de la journée du Sénégal à l'exposition universelle qui se tient à Dubaï jusqu'au 31 mars. Lors de cette cérémonie, suivie de l'ouverture du forum économique entre les Émirats arabes unis et le Sénégal, le chef de l'État a exhorté au renforcement des liens économiques entre les deux pays, gage de paix et de prospérité pour le Sénégal et les Émirats arabes unis, écrit le journal. Selon le quotidien national Le Soleil, le Sénégal expose ses atouts à Dubaï, Terre, Sumat, Sénégal et futur port de trois infrastructures modernes de connexion qui renvoient au thème de l'exposition, affirme le chef de l'État, cité par le journal pour le quotidien L'Info Maquis Maki, exhibe ses bijoux à l'expo de Dubaï. Maki vend la destination Sénégal, dit l'As quotidien qui indique que le chef de l'État a essayé de convaincre les investisseurs de venir au pays de la Teranga. Parlons tout à fait autre chose avec le journal Sud quotidien qui aborde la rentrée scolaire. Selon le journal, ce début d'année scolaire dont le coup d'envoi va être donné ce jeudi après la pré-rentrée des enseignants lundi dernier est encore une fois marqué par la crise sanitaire même si l'on note une relative accalmie sur le front de l'épidémie depuis quelques jours pour éviter que le virus ne joue les troubles faits. Un nouveau protocole sanitaire est mis en place dans les établissements scolaires. Néanmoins, la rentrée risque d'être mouvementée à cause des menaces des syndicats d'enseignants en raison du non-respect des engagements signés, relève le journal sud Le quotidien, le quotidien met en exergue pendant ce temps les difficultés dans la mise en œuvre du concept Ubitei Djangtei, qui postule le démarrage effectif des cours le jour de la rentrée scolaire. Classe inondée, manque d'infrastructures, abri provisoire sept ans après le lancement du concept Ubitei Djangtei, l'école sénégalaise navigue à vue alors que l'ouverture des classes est prévue ce matin, soutient le journal pour le démarrage des cours le jour de la rentrée pour tous. Ce n'est pas demain la veille, il urge de se débarrasser c'est des facteurs qui plombent cette effectivité des cours, ajoute la publication. Wolf évoque les prémices d'une année scolaire mouvementée. Des risques réels pèsent sur le bon déroulement de l'année scolaire 2021-2022. Les enseignants qui ont pris part hier à la première rencontre sectorielle dédiée au suivi de la matérialisation des points d'accord de 2018 restent toujours sur leur fin, note le journal. Enquête revient sur l'affaire du bébé brûlé à la clinique Madeleine Bar à sa une. Aveu et confession, le nouveau-né Roya Salé a trouvé la mort samedi dernier à la clinique Madeleine dans les conditions tragiques. Quatre membres de la clinique ont été déférés au parquet avant-hier avec des fortes une diverses à la fin de leurs auditions avec le juge d'instruction. Avant cela, ils se sont longuement confiés sur les circonstances du drame, écrit la publication. Autre actualité avec le quotidien critique, trafic de passeports diplomatiques, les députés d'Ozomir, Assemblée nationale toujours avec le quotidien La Tribune. Nias sur le podium des leveurs d'immunité. Record battu de 2012 à nos jours. La longue liste des députés qui ont perdu leur immunité. Doumarsar à Ousmane Sonko, Boubacar Biaï et Mamadou en route pour la guillotine. Parlons de la politique avec le journal Alerte quotidien. Maki publie les listes de Bénon vers fin octobre. Pendant ce temps, le journal donne la parole à Ndiagasila, expert électoral à trois mois des locales. Les actes préparatoires toujours indisponibles en sport pour terminer avec le Coréen Sunilam se flattant plus jeune, plus fort physiquement. Bala doit-il sous-estimer le poids du B52 s'interroge nos confrères. Alpha FM 90.1 et à 12h, bientôt passé de 36 minutes à Khaira Daruminam, le long de la rue El Haji Et ici, à l'immeuble cher Imam Hassan d'où nous émettons en direct du studio à l'immeuble à Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des Appui aux parents d'élèves et soutien au secteur de l'artisanat, de programme visant la généralisation des tenues scolaires repose ses premiers jalons à Kaulaka avec l'adhésion et l'engagement des acteurs. Les détails que vous avez suivis dès le début de ce JP. Politique élection territoriale du 23 janvier prochain à Kaulaka la LD joue la carte de la mobilisation et réaffirme son ancrage dans la coalition Beno Bokeyakar. Son coordonnateur euh, départemental, Mapateba, que vous avez entendu au courant de ce journal. Et puis, justice, audience des flagrants délits du TGI de Kaulaka, la juridiction s'est penché hier sur l'affaire portant sur la disparition de plusieurs millions dans le coffre-fort de la station Ola le verdict sera connu le 10 novembre prochain. Le gérant à qui il est reproché des faits présumés d'abus de confiance en liberté provisoire a comparu devant le tribunal. La revue de la presse, la page internationale, celle sportive, c'était donc dans la deuxième partie de ce JP. Technique Moussa Khan, 13h, vous retrouvera pour la version Wolof. À toutes et à tous, merci encore euh, de nous choisir. Euh, bon après-midi et surtout bien des choses sur les ondes de la résidence le journal Nefa Sissé.